effectivement qu'une nouvelle version bo xamantene effectivement nañ ci mais ci li am ni ak élection yi passé wonana ni effectivement on a un fichier crédible sur lequel on peut compter pour effectivement mener euh, mener à bon port les élections loolu am solo lu préciser calendrier électoral bi dafa am solo pour nous respecter parce que da fay woné suñu vivacité démocratie mais également une participation plurielle de candidats il faut qu'on ait beaucoup de femmes parce que la dernière fois on n'a pas vu les femmes dans les élections mais même se oui il est important Je sais, que da profilage effectivement les candidats mhm. moi je me suis amusé Je me le profilage bi nga Je me la même expérience musuma Je parti politique

aux élections sans pour autant avoir besoin avoir besoin effectivement de de nu de de mm-hmm. Karim effectivement c'est pourquoi le PDS ne s'est pas prononcé. mais mais lui devrait être dans le cadre. Oui, oui mais en même temps en même temps PDS aussi c'est aussi un parti c'est-à-dire c'est comme aussi la paire, on ne voit pas de numéro 2. Mm-hmm. amul un numéro 2 au niveau de la paire c'est-à-dire du candidat c'est tellement intéressant mais je suis attiré parce que la popularité de Ousmane Sonko est connue euh, mm-hmm. son influence son impact sa force et puis son animation de la démocratie par son opposition mm-hmm. mais et si Macky s'amusait à ou bien si par exemple on on s'amusait bu par exemple ci liñu muy parce que effectivement wa PASTEF ni ak beaucoup de sénégalais effectivement il y a un projet de d'éliminer Ousmane Sonko. pour mu baña a candidat. mais Decefal pourrait faire une grosse surprise c'est-à-dire même là où il n'existe pas li ngay wax xamuñu ko Sédhiou xamuñu ko fii mhm. l'électorat Sonko l'élect amna na électorat bu ko mun a profiter boo xamante effectivement nit ñi dinañ ko fajee mer mhm. mën nañ ko ko ndawtale mhm. te Déthié rek lañ koy ndawtal non non non dama non ci sama ci li may parce qu'en fait en termes de c'est comme s'il était un candidat de synthèse Bon, maintenant, en fait on retrouve on retrouve du son chez lui on retrouve du maquis. on retrouve du Idrissa sec. on retrouve du tout c'est comme s'il était un cocktail. non non non. la mun naa am fita non hypothèse bi nga teg nii. non non yow ñeme li ma wax daf may rappeler en bi Yaya Jammeh rek bi Yaya Jammeh tëjee kële rek. bi Yaya Jammeh tëjee le candidat. non da nga fi teg hypothèse. bu garaaw mu tëjee ko li mu ko jël. waaw mais l'élection et après il a sous-estimé Barrow. c'est kenn xalaatul Barrow. tout le monde pensait qu'ici effectivement mom, après jëlul temps sax effectivement pour jéem Yann xool yan manigance la war a def mm-hmm. manipulation avec le fichier le nouveau fichier électoral gambien il s'est dit que effectivement puisque c'est Baro, l'autre est en prison mon problème est réglé et finalement nous avons li ñu waroon ndaw li ñu waroon wootele kële wootele ko et et et lui, il entretient de très, bonnes de très bonnes relations avec, avec, avec Ousmane. Et que aussi, il a, été, il a joué un rôle important. En fait, c'est un, architecte électoral. Pour moi, c'est mon gis cest C'est-à-dire, non, là, quoi, <laughs> ah? Mais je n'aimerais pas que cette Je ne souhaiterais pas que cette situation se passe. Moi, j'aimerais que tout le monde. L'Union Bug, moi, une élection avec Ousmane Sonko. Mhm parce que ça rend ça fay indi vivacité ci suñu démocratie pour moi, c'est super important qu'il participe s'il ne participe pas japp s'il ne participe pas aux élections wala buñu buñ condamné à travers le truc de à travers la plainte de Mambay bu démé procès ñu kiko parce que effectivement s'il va buñ la condamné amato, mën nga mën nga chance ou mën tu perds tes droits mais su perte ay droits baña bok, ça peut un peu déranger le le processus ça peut perturber le processus ça peut perturber l'agenda ok Charles tu, devrais écrire quoi. C'est digne de Gérard de Villiers, quoi. Ça, mais moi, j'aime bien cette idée, parce que présidentielle, c'est vrai que y